espace yi ñu am nii dañ bëgg de la verdure def ci du gazon def des bancs publics def ci également des espaces de jeu parce qu'à côté de ce projet il y a un autre parce que dans les ça c'est les projets qu'on va faire tout de suite il y a un lot de projets et souvenez vous voulez, lits comprenez que ça va être étendu à tous les quartiers Partout où il y a des espaces, on va aménager. Mais là, il faut que les populations se sentent concernées. Parce que ce ne sera pas Ousmane Sonko Moigno. Une fois qu'on va à Kanyala ou à Lidiane, nous aménager espace public. Ou à Fofu, nous allons organiser. Particulièrement les jeunes. Mais du côté arrosage, éviter que les animaux entrent, entretenir les, espaces de jeu. La mairie va accompagner, mais c'est les populations elles-mêmes, dans un premier temps, qui doivent en faire leur affaire. Donc, tous les espaces publics, c'est dans ce cadre-là que Les grandes artères, je vous ai parlé des arbres, mais il y a d'autres types d'arbres que nous voulons introduire. Amna on a déjà les premiers boutures. C'est l'arbre qui est supposé être l'un des arbres les plus euh, les oxygénables au monde. Nous voir le Paulignan, qu'on retrouve beaucoup plus en Chine. On a un de nos partenaires, de une de nos relations, qui est botaniste et qui est dans une université chinoise et qui a décidé de venir travailler avec nous pour nous aménager avec ces types d'arbres qui sont très jolis et qui changent de couleur selon les saisons, mais surtout le volet environnemental pour qu'on respire de l'air frais. On va commencer des programmes. On va faire un peu de dallage, un peu de pavé. Amener, peu de xam un dañuy de am comme ce comme parce qu'on a une enveloppe à peu près de 2,5 milliards pour le pavage de cette année Les ci def le reste, on fera tout pour que toutes les routes soient praticables. Et c'est pourquoi, en principe, en principe, semaine bi lañ ko démarrer nous allons commencer toutes les grandes artères à l'intérieur des quartiers avant l'hivernage à faire le grattage et le nivellement pour moto les motos et les motos accéder parce que c'est très important il faut que nous ñu liggéey pour aménager ces grandes artères defar ko ni mu war a mel pour que en tout cas chose soit très vivable